le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passées de 16 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Forum du studio Kalangu. Très ravi de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Merci de nous recevoir à travers le réseau des radios partenaires qui relaient notre programme à Arlit, Agadez, Difa, Zender, Maradi, Tawa, Dosso, Filengue, Tilaberi et Niamey. Au menu du forum de ce soir, nous ferons tout d'abord un point de la situation humanitaire qui prévaut dans la région de Difa. Ce sera avec euh, le chargé des affaires humanitaires du, système des Nations Unies au chat de Difa, Olivier Eyenga. Du cinéma, il sera largement question dans ce forum. Vous suivrez deux cinéastes, le premier Jingara Mega, auteur du film sorti dernièrement Cerveau Noir, et Amina Wera, jeune réalisatrice, auteur du film documentaire la colère dans le vent. Ensuite, nous parlerons environnement avec la situation écologique alarmante de notre pays. Vous suivrez à ce sujet le directeur général de l'environnement dans ce forum. Enfin, le SINASEB qui a organisé vendredi dernier une séance de lecture du Coran toujours par rapport aux questions de paiement, de retard et de non-paiement des pécules, avec aussi cet arrêté ministériel du ministère de l'enseignement primaire qui donne la charge, le recrutement et la gestion des enseignants contractuels au niveau aux, aux mairies des différentes régions. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous ouvrons ce forum par un petit tour d'horizon cap sur la région de Difa, l'une des régions du Niger qui subit beaucoup d'assauts de la part des groupes terroristes à Boko Haram. La région accueille des milliers de réfugiés et de déplacés internes avec euh, toutes les conséquences que cela implique. Quelle est la situation actuelle et humanitaire dans cette région Le chargé des affaires humanitaires du système des Nations Unies, OCHA, de Difa, Olivier Enga, répond aux questions de Tarnan Foudé Ahmed. Oui, euh, comme vous le savez, euh, la situation humanitaire euh, pour l'instant est beaucoup plus marquée par des, besoins un peu croissants qu'on a eu depuis les dernières attaques du mois de, juin, mai juin, qui ont entraîné plus de 60 000 personnes qui ont quitté les localités de des et de et qui se sont déplacées du côté de Tumour, Kinchanji, euh, et euh, ces nouvelles personnes qui sont arrivées euh, ont fait accroître euh, des besoins qui étaient déjà assez importants au niveau de, la région. Donc pour l'instant, les partenaires humanitaires font face effectivement à ces nouvelles personnes qui sont arrivées, mais aussi aux anciennes personnes qui étaient déjà là, avec dans les différents sites qui sont tout au long de la RMA. Euh, mais aussi dans des villages euh, environnants euh, entre, par exemple, Bifa et Bosso, Bifa, Kablewa, Bifa, Ndimou. Monsieur Olivier, les bulletins d'information d'OCHA de juin et juillet évoquent un besoin énorme en eau, hygiène et assainissement. Quelle est la situation dans ces domaines actuellement Pour l'instant, pour faire face aux différents besoins qui sont créés par ces déplacements, les partenaires humanitaires euh, pour, euh, sans pouvoir aux besoins à nous en faisant ce que nous appelons le water tracking, c'est-à-dire nous transportons des lots dans des camions, des, camions qui euh, le long de la RN1. en, moyenne par jour plus de d'une dizaine de, véhicules citernes font les navettes entre DIFA et les différents sites le long de la RN1 pour euh, desservir en eau euh, euh, à, toutes ces populations dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc effectivement, le besoin continue à être là, mais en même temps, les réponses sont en train d'être apportées. Mais comme vous pouvez vous l'imaginer, livrer de l'eau par water constitue un grand défi et il faudrait absolument passer à une étape de, une étape de solution durable d'où la nécessité euh, absolue de pouvoir renforcer notamment les fourrages et d'autres infrastructures en, eau, euh, en hygiène et en assainissement afin de pouvoir soulager euh, ces différentes populations. Les populations qui sont dans les différents sites où ils sont logés, paraît-il qu'ils sont exposés au risque des maladies diarrhéiques, choléra, typhoïde et autres. Qu'est-ce que OCHA fait à ce niveau on l'a certes, mais en même temps, euh, les partenaires euh, euh, humanitaires en soutien aux autorités régionales, notamment la DRC, la Direction régionale de la santé publique, ont déployé des cliniques mobiles pour être tout près de ces différentes populations afin de pouvoir soulager et apporter les premiers soins, soins de santé primaire à ces différentes populations. Donc chaque jour, euh, il y a des, des cliniques mobiles, des, structures sanitaires de proximité qui permettent euh, un accès facile à, toutes ces personnes qui sont déplacées pour qu'elles ne puissent pas parcourir des huit temps afin d'avoir accès aux, premiers soins et à, côté de euh, des, soins de, des, soins de santé primaire, il y a aussi tout, tout, ce qui a été, tout ce qui est en train d'être fait par rapport à la santé mentale par rapport aussi euh, à la campagne de vaccination contre la, la rougeur qui, vient de couvrir euh, pratiquement euh, toute, toute la région, mais aussi d'autres activités connexes en santé afin de pouvoir soulager cette population. Certes, les besoins, comme je le disais, sont là, mais en même temps, je pense que le besoin, les réponses des partenaires se mettent en place avec notamment l'approche des cliniques mobiles sous la direction de des autorités sanitaires euh, régionales avec l'appui de différents partenaires au niveau de la région. Monsieur Olivier, le 14 juin dernier, le gouvernement nigérien a lancé un appel à la solidarité internationale pour renforcer l'assistance dans ces domaines. Il y a encore 12 euh, autres organisations œuvrant dans le même sens et intervenant surtout dans la région des DIFA qui ont renouvelé cet appel. Est-ce qu'aujourd'hui, OCHA dispose des moyens pour prendre en charge toutes ces populations déplacées qui sont dans la région des DIFA il y a une certitude. Euh, il faut savoir que, comme je l'ai dit en introduction, euh, malheureusement, nous faisons face à des besoins de plus en plus euh, croissants et au même temps, nous sommes, nous à, un problème des ressources qui sont en limité. Il est évident qu'aujourd'hui, avec les différents déplacements que la région a connus, ça vient se greffer aussi à une situation en fait concerne en tout cas la sécurité alimentaire qui semble être de plus en plus aussi euh, préoccupante. Là, nous suivons avec les autorités de la région euh, la dernière campagne euh, agricole. Les enquêtes sont en cours selon les premières estimations et les premières informations que nous avons, euh, il faudrait absolument que nous puissions disposer de ressources additionnelles afin de pouvoir euh, venir en aide à, à, à, aux différentes populations qui sont dans la région. Juste une parenthèse pour vous rappeler que euh, la région de Bifa, que qu'on ait une bonne campagne agricole ou une mauvaise campagne, d'habitude, il y avait toujours au moins 20% de la population de, de, de cette région euh, euh, euh, de plus de 600 000 personnes, dans un qui qui absolument devrait avoir une assistance alimentaire pour subvenir à, leurs besoins. Et à cela s'ajoute, comme je l'ai dit, aussi ces déplacements. Donc vous pouvez vous imaginer bien qu'effectivement le besoin malheureusement continue à être croissant, d'où la nécessité et l'appel qui a été lancé récemment par les autorités du pays de pouvoir continuer à soutenir les efforts du gouvernement et aussi que les partenaires puissent avoir suffisamment de ressources afin euh, de, subvenir aux différents besoins qui ne sont que malheureusement croissants au niveau de, la région. Merci beaucoup, Monsieur Olivier. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Vous venez d'écouter Olivier Enga, c'est lui le chargé des affaires humanitaires du système des Nations Unies OCHA de la région de Difa. Il répondait aux questions de Fouda Ahmed Tarnan. En culture, je le disais, nous allons ce soir à la découverte de deux cinéastes qui ont récemment projeté leur tout dernier film, l'un au Palais des Congrès et l'autre à Alternative Espace Citoyen. Il s'agit de Jingarei Mega et d'Amina Amina Wera. En effet, dans la nuit du mercredi 3 août dernier s'est déroulée la projection du film Cerveau noir de Jingarei Mega au Palais des Congrès, un film fiction qui traite des valeurs telles que le pardon et qui interroge certaines pratiques qui doivent plus avoir cours de nos Diallo Mariama s'est entretenu avec euh, le cinéaste Jingare Maga juste après la projection de son film Cerveau Noir. Bon, le titre, euh, c'est un titre que j'ai juste imaginé parce que je voulais mettre le mot noir à travers mon film et comme j'ai eu aussi affaire à des gens qui complotent des choses de rien du tout et je les prenais pour des gens qui ont des cerveaux noirs. Celui qui n'a pas un cerveau noir ne pouvait pas agir comme ça. parlez nous de ce film, euh, cette histoire. Bon, tout se passe autour de, des militaires, disons de Gazibo et son ami Zeini. Et aussi le général qu'ils ont impliqué là-dedans. C'est une histoire de famille. Deux jeunes gens qui ont grandi ensemble dans la même famille et qui sont partis à l'école ensemble, qui ont fait le bac ensemble. Ensemble, ils ont décidé d'aller dans l'armée. Deux grands amis qui ne se quittent même pas la nuit. Donc, une fois dans l'armée, l'autre, accidentellement, a aimé la, pardon, la sœur de son ami. Et puis, bon, il a pensé avoir mis enceinte et, bon, tenant, comme il ne voulait pas d'elle, il voulait se séparer. Et il trouve une situation qu'il peut créer pour pouvoir se débarrasser de la famille. Et il a accusé son ami d'avoir préparé un coup d'État. Comme ça, lui, il va, carrément s'éloigner de, la famille et se débarrasser aussi de la fille et de son enfant. Bon, c'est une euh, histoire inventée de toutes pièces c'est vraiment de la fiction, c'est pas de la réalité. Et comme certaines fictions aussi ressemblent à la réalité, on peut le considérer que euh, c'est de la réalité aussi. Vous parlez de la réalité justement. Dans ce film, vous défendez des valeurs, des valeurs euh, comme l'amour et comme euh, l'esclavage aujourd'hui qui ne doit plus être d'actualité. Est-ce qu'en réalité, à travers ce film, vous avez énormément à, réchanger dans, la tradition ça, c'est des choses que j'ai écoutées. Les gens parlent de ça dans des conversations, dans ce que les gens disent entre eux quand ils sont dans les fadas et ce que les gens disent de certaines personnes quand leurs parents sont en bourse, etc., etc. Donc, je suis parti de, euh, de ces idées comme ça de, un certains souvenirs que j'ai évoqués, dont je me rappelle bien comment les choses sont passées devant moi. Les gens qui parlent de l'esclavage, les gens qui parlent aussi de, la noblesse, euh, qui donnent la valeur de, la noblesse par rapport à l'esclavage. Ça, c'est ancré dans dans l'esprit de certaines personnes qui continuent toujours à en parler et qui continuent à donner cette valeur. Mais il faut quand même, en tant qu'artiste, amener les gens à faire comprendre que ces choses-là sont terminées aujourd'hui. Comme l'a dit, ce qui compte, c'est vraiment le travail. Je crois que c'est le résultat de l'homme. Vous parlez de ces valeurs, vous y croyez ou bien vous l'écrivez en tant qu'artiste Bon, moi je ne peux pas croire à ça parce que il n'y a, a, pas de valeur. Donc moi je ne crois pas. Je pouvais croire quand j'étais petit, mais aujourd'hui je ne peux pas croire à ça. Je connais des cas où ils ont voulu célébrer le mariage d'un monsieur avec une femme. Et les parents de la femme ont dit non. Nous venons d'entendre aujourd'hui même que son père est un esclave, son maman est esclave. Donc on ne peut pas se donner notre fille en mariage à ce monsieur-là. Seulement parce qu'il a le, c'est le titre que veut dire, esclave ils ont refusé. Parlez-nous du tournage de ce film. Bon, le tournage, ça s'est passé en un an. Euh, rare que je fasse un film en un an. D'habitude, quand je commence un film, je le finis en deux ou trois ans. Par exemple, Vendée du Noir, quand je l'ai commencé, j'ai mis sept ans pour le finir. c'était au temps de l'AFC. Il n'y avait pas d'argent. Après, c'était le temps de, de MNCD. Il n'y avait pas d'argent au cinéaste pour travailler. Je n'avais nulle part. Je n'ai pas des, aides de l'extérieur ni de l'intérieur. Euh, je me suis débrouillé moi-même avec mes moyens de bord. Quand je travaille sur un film, je gagnais 200 000, 300 000, j'ai mis 100 000 francs sur le travail. Et c'est comme ça que j'ai fini le film en sept ans. Après, j'ai eu tous les problèmes du monde parce que les gens pensaient que, certains pensaient que je me suis adressé à eux. Et là, c'est différent ah, dans ce film. C'est différent. J'ai commencé le film là en, en, en, 2015 et je l'ai fini en 2015. Tout simplement parce que, bon, il faut le dire, nous avons reçu l'aide du président de la République qui nous a permis de travailler. Le peu que j'ai eu, je l'ai mis sur deux films, euh, Au plus loin dans le noir et Le cerveau noir. Et je l'ai fini, je l'ai bien fini. Je suis content de, le finir euh, très vite. La seule chose qui, me gâte le cœur, il faut le dire, c'est le public qui ne vient pas voir ce film-là. Alors que les gens qui viennent le voir, ils, ils sortent toujours satisfaits. Donc ça, ça me fait plaisir aussi. J'allais en venir par rapport à cette satisfaction que vous avez eue. Vous avez une sensation de fierté. Satisfaction parce que chaque fois quand je le projette, ça fait la troisième fois maintenant, les gens viennent me serrer la main et me disent que le film est très bien. Il y en a même qui me téléphonent pour me dire vraiment ton film est sensationnel, c'est très bien, c'est une histoire du Niger, c'est ceci et cela. Ça me fait plaisir, donc je suis satisfait. Techniquement, le film est bien fait. Il y a des choses qui manquent, il y a des insuffisances parce que tu ne peux pas présenter des militaires sans fusil. J'ai le fait parce qu'on ne pouvait pas avoir de fusil. Nous sommes dans un moment où le fusils, on ne peut pas toucher. Il ne faut pas aller vers les militaires aujourd'hui avec une caméra. Ils n'ont pas confiance avec l'histoire de Boko Haram là. Chaque fois, on a essayé de trouver des même aller travailler au camp, ils nous ont refusé. Donc je suis parti avec les moyens de bord, ce que j'ai, et j'ai fait ce film-là, tout en essayant quand même de, faire ce que je peux. Vous envisagez de produire, de réaliser d'autres films encore Bon, je pense faire un film pour aider des albinos, parce qu'il y a des albinos qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, ah, toi, tu es un cinéaste populaire, les gens voient bien tes films. Nous, on nous manque des maris, il faut nous aider à faire, euh, à montrer les gens quels sont les problèmes, c'est les difficultés qui nous empêchent. Et j'ai fait un scénario sur ça si j'ai les moyens de trouver l'argent, je vais le faire. Sinon, le scénario est prêt. Inch'Allah, si j'ai les possibilités, je vais le faire. Si je ne peux pas le faire aussi, je donnerai le, le scénario à d'autres personnes de le faire. Un dernier message ben, Je remercie les gens qui sont venus voir le film. Bon, je remercie aussi notre ministère, la réalité, qui a promis de faire la renaissance culturelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dingari. Vous venez là d'écouter Jingaray Mega, l'un des vétérans du cinéma nigérien. Il répondait aux questions de Diallo Maria Makenda relativement à son film Cerveau Noir. Puis toujours à euh, ce film Cerveau Noir, l'acteur principal du film, à l'occurrence capitaine Zeni, de son vrai nom Bédar Yakuba, s'est aussi exprimé à l'occasion. Il dit avoir été modélé par le cinéaste de sorte qu'il ne se reconnaît plus. Dans un premier instant, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de, regarder la projection de ce film dont vous êtes euh, l'acteur euh, principal Ça fait la énième fois que je vois le film et à chaque fois j'ai l'impression de le voir pour la première fois j'ai comme l'impression que c'est pas moi de le film. Je vois à travers cela l'effort que le vieux Djingaré a fourni pour pouvoir euh, non seulement me modeler, faire de moi un artiste euh, peut-être à sa façon, je ne sais pas si j'ai réussi, mais euh, quand même, euh, je me dis que je fais un peu comme il le veut. Et vous dites que euh, c'est comme si vous avez modélé et que vous ne vous reconnaissez pas dans le fait, mais cela veut dire que vous avez laissé de côté votre, votre personnalité dans la réalité pour jouer dans ce film Bon, en fait, comme vous avez dit, il s'agit de jouer un rôle. Là, je deviens une autre personne, c'est-à-dire un personnage. Donc, ce n'est pas moi. tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a montré le chemin. C'est lui qui m'a dit voilà comment il faut agir et Dieu merci, j'ai pu faire euh, peut-être un peu à sa façon. Mais franchement, je me réjouis, je me réjouis quand même euh, de la qualité de son travail. Et euh, petit à petit, je prends goût et je pense qu'on va aller dans, le sens de développer le cinéma nigérien. Dans ce film, je retiens deux, deux angles, deux sujets très importants. Le premier sujet, c'est celui du pardon. Le second, c'est celui de prendre l'engagement d'épouser une, servante, mhm. donc euh, euh, qu'on a calomniée, issue d'une famille euh, esclave. Ces deux aspects est-ce que vous les défendez dans la réalité Oui, en toute vérité, c'est des, en tout cas, c'est des valeurs que je défends. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que le pardon. C'est grâce au pardon qu'on peut reconstruire, qu'on peut partir à zéro et qu'on peut développer. Et lorsqu'on parle de caste, je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes une société qui doit voir de l'avant, pas regarder dans un, dans rétroviseur. On ne peut pas continuer à vivre, à aller de l'avant tout en regardant dans un rétroviseur parce que lorsque vous regardez dans un rétroviseur, vous ne verrez que ce que vous avez derrière vous. Et je me dis que effectivement, nous sommes dans un monde euh, entre guillemets civilisé qui doit laisser tomber certaines valeurs pour aller dans des valeurs beaucoup plus constructives, beaucoup plus réalistes, des valeurs qui peuvent aujourd'hui contribuer au développement socio-économique de notre pays. Djingare manga étant, un cinéaste de la première génération, aujourd'hui confronté à une génération nouvelle de, mhm. de, de cinéastes, mhm. est-ce que vous pensez que les films euh, de Djingare Maga sont encore d'actualité Est-ce que vous pensez que euh, les films de Djingare Maga aujourd'hui permettent à cette nouvelle génération de prendre le lent pour euh, la relève du cinéma nigérien vous savez, lorsqu'on fait un film, c'est parce qu'effectivement, on veut raconter quelque chose qui se passe dans une société. Et lorsqu'on regarde le film, le plus souvent, la meilleure façon de, de, de, de s'intéresser à un film, c'est de pouvoir se retrouver dans ce film. Le vieux Djingaré, il fait des films qui nous montrent notre réalité, des réalités qui sont cachées, des choses qui sont là devant nous, mais dont nous ne sommes pas conscientes. Nous ne sommes pas conscients. Et du coup, Djingare montre notre quotidien et il nous fait, si vous voulez, il nous replace dans un contexte qui doit être le nôtre. Et quand vous parlez de la nouvelle génération, en cinéma, je ne vois pas de vieille génération ou de nouvelle génération. Moi, je suis réalisateur, j'ai un master de la réalisation. Mais aujourd'hui, je me dis que pour que je puisse me développer, il va falloir que je suive les anciens. Lorsque vous, vous suivez les bonnes traces, c'est que sûr, vous arrivez à une très bonne destination. Vous venez d'écouter Baydari Yakuba qui a joué le rôle du capitaine Zeni dans le film Cerveau noir de Jingarei Mega. Et puis, euh, je le disais, notre deuxième cinéaste de ce soir est une jeune fille nigérienne. Elle s'appelle Amina Wera. Elle a réalisé un film documentaire d'une durée de 54 minutes qui parle de l'activité minière à Arlit, sa ville natale, et de ses conséquences. Ce film intitulé La colère dans le vent a été projeté ce samedi passé à l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen. Quels sont les motivations de la réalisatrice de ce film, quels sont les objectifs visés. Amina Ouera, réalisatrice de ce film, La colère dans le vent, répond aux questions de Railatou Soumana. En fait, euh, ce film, c'est un film qui documente sur la réalité d'une ville. Il s'agit en fait de, la ville d'Arlit, qui est une ville, minière. Ce film parle de, des conséquences de l'activité minière. En ce moment, il y a une vague de jeunes qui sont en train de lutter pour revendiquer leurs droits. Parce qu'on sait tous ici au Niger que les deux mines ne profitent pas, la population est plutôt d'adultes hein, et le Niger en entier ne profite pas de ces activités minières. Et en ce moment, on constate une sorte de prise de conscience de la part des jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte que nos parents ont été bernés, si je peux le dire, parce que c'est des gens qui ont commencé à travailler dans les mines sans se rendre compte des conséquences. Eux, ils cherchaient juste un travail et ils voulaient juste avoir un salaire, c'était tout. Ils n'avaient pas pensé à, aux conséquences, euh, ils n'avaient pas demandé à savoir si cette activité pouvait être fatale pour leur santé ou pour la santé même de leurs enfants ou des habitants. Mais là, actuellement, comme il y a des jeunes qui sont en train de prendre la relève, et c'est généralement c'est des jeunes qui ont étudié et qui ont euh, qui se sont renseignés par rapport à l'activité minière et là, du coup, il commence à se révolter. Moi, en tant qu'habitante d'Arlit, je, je, suis née en fait à Arlit et j'ai grandi là-bas. Et en tant qu'habitante d'Arlit et en tant que cinéaste, moi, ma modeste contribution, c'était de faire un film. C'est de faire un film d'auteur de donner quand même mon point de vue par rapport à cette activité. Également de pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans la ville d'Arlit, notamment quand on voit toute cette pollution qui est en train d'envahir cette ville qui, est en train de s'agrandir. Parce qu'au début de l'exploitation, il n'y avait que les travailleurs. Et là, de plus en plus, la ville est devenue quand même une ville, ville euh, cosmopolite. Et donc, moi, ma contribution, c'était de faire un film d'interroger la population par rapport à cette activité, ce qu'ils en pensent, s'ils sont actuellement conscients de ces dangers. Et en même temps, c'était une manière de pour, les gens qui, qui, qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'est vraiment l'activité minière. Parce que quand on prend une bonne partie de la population d'Arlit, c'est quand même une population... Beaucoup de gens n'ont pas été à l'école, ils peuvent pas comprendre ce que ça peut représenter. Donc du coup, en même temps, c'était une manière de, de faire euh, les gens plutôt prennent conscience de ces dangers-là et peut-être pouvoir nous aider à, à lutter et à avoir euh, nos droits, quoi, à avoir, euh, pour pouvoir en fait profiter de cette activité, nous habitants et toute la ville d'Arlit et également tout le Niger. Et quel genre de réaction attendez-vous à ce que ces populations-là donc moi, en faisant ces films, c'est une manière d'impliquer toute la population d'Arlit. C'est une manière, en fait, de, de leur faire comprendre qu'en réalité, c'est pas une petite affaire, c'est pas juste, ce n'est pas qu'un boulot, quoi. Il y a beaucoup de choses derrière cette activité-là. J'ai envie que toute la population soit unie pour qu'on ait tous la même envie, en fait. Et le nom du film La colère dans le vent, ça veut dire quoi concrètement en fait, pourquoi la colère dans le vent quand on voit les syndicalistes euh, revendiquer certaines choses et que rien ne change Donc, et en même temps, ce vent-là, vous savez que Arlit se trouve dans la partie désertique du Niger et qu'à chaque moment, surtout à cette période-là, il y a des vents de sable. Donc moi, en fait, j'ai associé ce, cette tempête de sable à, avec cette colère. C'est une sorte de jeu de mots. C'est comme si euh, leur colère partait en l'air, partait dans ce vent-là sans, sans pour autant que, que tous ces qu'ils disent soit pris en compte. Et la colère dans le vent, c'est également ce vent-là qui vient. Parce que actuellement, quand vous partez à Arlit, tous les déchets qui ont servi à la mine sont exposés dans la ville. Et là, moi, je parle de colère dans le vent. C'est plus cette euh, radioactivité, cette pollution qui est, qui éparpillée dans la ville, cette pollution qui fait partie de notre quotidien. Donc, quand il y a le vent, pour moi, le vent, c'est comme s'il est en train de contribuer à la propagation de, cette pollution-là. Donc, cette colère, en même temps, c'est, cette radioactivité, c'est cette pollution qui se trouve dans ce vent-là. Donc, c'est, c'est un peu ça. Et ce film, c'est votre première œuvre ou bien il y en a eu d'autres Bon, je dirais que c'est mon premier film en tant que réalisatrice, en tant que professionnelle. Mais sinon, j'ai déjà fait des films d'école. Par exemple, j'ai fait un film à Lifty après mon master 1 qui s'appelle Des études au miel. J'ai fait un deuxième film après mon master 2 qui s'appelle euh, C'est possible, qui a fait beaucoup de festivals. Et le tournage du film vous a pris combien de temps le tournage du film nous a pris à peu près trois semaines. Il y avait la deuxième partie, il s'agissait du montage montage, euh, étalonnage, mixage, c'est-à-dire la post-production, oui. Donc, qui a pris à peu près trois mois aussi. Et vous avez rencontré des difficultés dans le tournage euh, Oui, évidemment, euh, tourner ce film, c'est vrai, oui, on a rencontré des difficultés euh, parce que Arlit quand même est classée zone rouge. De, euh, du coup, c'était une ville euh, sécurisée et on était une équipe de quatre personnes à peu près. Il y avait moi en tant que réalisatrice, il y avait le preneur de son, il y avait le cadreur et le producteur. Bon, le producteur est béninois. Du coup, on se baladait dans la ville avec une caméra et avec un blanc. <laughs> qui, qui était le cadreur. Bon, c'est un Algérien mais qui a la tête d'un blanc. Donc à chaque fois qu'on voit un blanc, on se dit voilà, ah, c'est des gens qui, qui viennent euh, piquer nos images pour aller les vendre soit à TV5, soit à France 24. Et du coup, les gens étaient quand même assez réticents, ils n'étaient pas confiants du tout. C'est des gens que je connais, que j'ai eu à rencontrer pendant mes repérages et que j'avais pas eu de soucis. Mais comme il s'agit de tourner et qu'il y avait la caméra, il y avait des hommes blancs et tout, donc ça avait causé quand même pas mal de problèmes et également avec la police, la gendarmerie. Il fallait à tout moment expliquer qu'on est en tournage, qu'on avait nos autorisations et que, ça nous perdait du temps. Ça peut banalement nous faire perdre une journée et tout. Alors qu'en tournage, il fallait pas, surtout le tournage d'un documentaire, il fallait pas perdre une seconde parce qu'on est à la recherche euh, du réel. Donc il fallait pas du tout perdre du temps. Voilà. Je vous remercie. Amiwera, jeune cinéaste nigérienne, auteur du film documentaire Le colère dans le vent, elle était interrogée par Rahilatou Souman Hassan. Vous vous rappelez, le syndicat national des fonctionnaires et contractuels de l'éducation de base a organisé vendredi 5 août dernier une séance de lecture coranique à Niamey et à l'intérieur du pays. Pourquoi une telle initiative Écoutons le secrétaire général du Sinaseb, Moukela Alidou, au micro de Mokhtar Hamadou. Il explique le sens de cette démarche. Cette lecture, nous l'avions en tout cas euh, faite pour euh, implorer la bénédiction de Dieu par rapport euh, en tout cas à toutes ces humiliations, par rapport à tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment par rapport à la gestion des arriérés de pécule de nos camarades, mais également tous les autres, ou j'allais dire toutes les autres revendications que nous avons, notamment le paiement à terme échu des pécules, notamment la question des matricules qui attendaient depuis deux ans et les recrutements qui devraient intervenir en 2015 et 2016. Mais aussi, si nous avions fait cette séance, c'est effectivement pour chercher l'aide de Dieu par rapport, en tout cas, à toutes ces dérives que nous sommes en train de constater. ce n'est pas un secret pour vous. Qu'est-ce que vous appelez dérive concrètement Vous avez quand même vu les dernières violations, euh, en tout cas, euh, de la loi de la part du ministre de l'enseignement primaire qui a pris un arrêté pour euh, vouloir transférer la gestion des enseignants contractuels au niveau des collectivités, alors même qu'aujourd'hui les contractuels sont régis par le statut de la fonction publique qui est une loi. On ne peut pas aujourd'hui dans un État sérieux, un État qui se respecte prendre un arrêté pour vouloir modifier des dispositions d'une loi qui se trouve être, en tout cas, le statut de la fonction publique. Donc nous avons compris que véritablement, il faut que euh, Dieu ramène ces dirigeants-là à la raison. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas ne pas être respectueux des lois. Il faut qu'on reste respectueux des lois pour qu'effectivement nous puissions aller de l'avant. Il faut qu'on reste dans la logique, n'est-ce pas, des lois et règlements de notre pays pour ne pas. Vous voulez dire que le décret pris par le ministre de l'enseignement primaire est une violation de la loi Malheureusement, c'est même un arrêté, un arrêté encore plus bas qu'un décret, c'est un arrêté qu'il a pris pour vouloir, en tout cas, modifier le statut de la fonction publique. Comme je l'ai dit, le statut, c'est une loi. Et aujourd'hui, en prenant l'arrêté pour vouloir détacher les contractuels du statut de la fonction publique, les amener au niveau des communes, il ne peut que constituer une violation flagrante, en tout cas, de la loi. Et pour nous, aujourd'hui, la loi, si elle est violée, les coupables puissent être traités de la façon dont on doit traiter, en tout cas, tout celui qui viole la loi. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous estimons quand même que, avec la bénédiction de Dieu, avec l'aide de Dieu, certainement que, en tout cas, la situation va changer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que la volonté du gouvernement actuel ne place pas l'école dans ses priorités telles qu'ils sont en train de le dire, mais au contraire, ils sont en train de créer les conditions pour détruire l'école publique nigérienne. L'école, c'est le bien commun, c'est le bien de tout le monde. C'est à travers l'école qu'aujourd'hui ils sont arrivés là où ils sont, ils sont en train de gérer le peuple nigérien. Et imaginez aujourd'hui un peuple qui n'a pas une éducation, un peuple qui n'a pas une école, un peuple qui n'a pas une éducation de qualité est un peuple qui ne va jamais de l'avant. Et pour nous aujourd'hui, il faut qu'on crée les conditions pour qu'on puisse respecter l'école publique nigérienne. On ne peut pas respecter l'école tant qu'on ne respecte pas les enseignants, tant qu'on respectent pas les enseignants contractuels qui constituent aujourd'hui plus de 80% du corps enseignant. Donc pour nous aujourd'hui, on doit créer les conditions pour éponger les arriérés de Pécule. Et nous l'avons dit. Si aujourd'hui on est arrivé dans toutes ces situations, c'est parce que les jeunes ne sont pas en train de respecter la loi, les jeunes ne sont pas en train de respecter le règlement. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, avec des arriérés de Pécule de 2, 3, 4 mois, qu'on dise que non, non, c'est au niveau régional, mais on va encore ramener la gestion à un niveau plus bas, nous estimons quand même que seul Dieu peut nous sortir en tout cas de cette situation. Vous venez de suivre Moukela Alidou, le secrétaire général du SINASEB, propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Et puis, dans un point de presse qu'il a animé jeudi, le ministre de l'Éducation primaire a expliqué de sa part les raisons et les objectifs du dit arrêté qui suscite des grincements de dents au sein des syndicats du domaine de l'éducation. Cet arrêté transfère aux communes la gestion des personnels contractuels. Daouda Mamadou Marty, ministre de l'Enseignement primaire. C'est un décret qui a été signé en janvier 2016 et ratifié par plusieurs ministres. Je précise bien, l'État transfère les compétences et les ressources aux communes. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu par certains dire, que on va affecter les enseignants contractuels aux communes et que c'est aux communes de les payer. Si je veux même de leur logique, est-ce que moi, ministre de l'enseignement primaire, j'ai le pouvoir de demander à une commune de payer mes enseignants Non. Seul le conseil municipal a ce pouvoir-là. Cet article dit quoi Il y a deux aspects. D'abord du recrutement. Conformément à ce décret, cet arrêté et l'arrêté d'application de ces décrets. C'est un processus qui va se poursuivre. La commune est responsable du recrutement des enseignants contractuels dans leur zone de compétence. Ça signifie que à l'avenir, c'est à la commune qu'on va transférer le recrutement des contractuels. Aujourd'hui, d'ailleurs, les contractuels sont recrutés par nos inspecteurs au niveau des régionaux et au niveau du département pour le compte de la commune. Mais à l'avenir, les maires et nos inspecteurs seront là pour recruter ensemble les commune. c'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est le maire, mais la responsabilité académique et professionnelle, c'est l'inspecteur. Dauda Mamadou Marté, ministre en charge de l'enseignement primaire. Le mercredi 3 août dernier, c'était la fête de l'indépendance du Niger. C'est aussi la fête de l'arbre. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Wassalke Boukari, a évoqué une situation d'état d'urgence écologique. Lauratou Ibrahim Gado s'est entretenu avec euh, Sanima Azou, directeur général de l'Environnement et du Développement durable sur les questions de l'environnement. Nous l'écoutons. La fête de l'arbre euh, est devenue un rituel chaque année, puisque c'est le jour de l'indépendance et on a consacré le 3 août depuis une quarantaine d'années, plus même, à la célébration de la fête de l'arbre à l'occasion de cette journée de l'indépendance pour mettre à profit cette journée pour attirer l'attention du public, de la population, notamment des jeunes, à s'adonner à la plantation d'arbres qui dit l'arbre dit la vie, dit les ressources euh, naturelles, puisque c'est le fondement de la ressource naturelle, l'arbre, le végétal d'une manière générale. Pour ce qui est de la fête de l'arbre, au titre des années passées, cette année aussi a été consacrée à la plantation officielle euh, d'arbres, mais aussi dans toutes les huit régions du Niger. Mais on constate aussi de plus en plus certaines communautés rurales et certaines organisations de la société civile. Ça donne aussi à cette activité importante et ils saisissent cette journée pour pouvoir sensibiliser l'ensemble de nos populations de faire de la fête du 3 août chaque année une cérémonie, une fête de plantation d'arbres sur l'ensemble du territoire national. Quelle est la particularité de cette année relativement à son thème. Le thème de cette année, mobilisons-nous et changeons de comportement pour une gestion durable de nos ressources naturelles. Le thème, il veut dire que normalement, à partir de maintenant, nous devrons amorcer un changement de comportement et de mentalité pour que nous revoyions nos copies, comment nous agissons vis-à-vis de notre milieu naturel, vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis -vis de l'arbre. Changeons de comportement un comportement au sens du positif. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de manière responsable. Maintenant, changeons la mentalité, nos comportements pour prendre la responsabilité tout entière de changer en faveur de l'environnement, en faveur de la restauration de l'environnement, en faveur de la conscientisation de nos populations, notamment la partie jeunesse, puisque nous travaillons pour nous-mêmes et nous travaillons pour les générations à venir. Pourquoi cette particularité au niveau de la jeunesse Ça implique quoi Oui, mais puisque vous savez que la jeunesse, c'est d'abord l'avenir. Et c'est les grands de demain, et c'est eux, et c'est la jeunesse, les jeunes qui sont appelés demain à diriger le pays. Donc si réellement il n'y avait pas une prise de conscience responsable de cette jeunesse, mais croyez-moi que on a tout perdu. Donc on a intérêt à former les jeunes, à les encadrer, à leur faire savoir que actuellement les choses ne vont pas comme on le voulait, mais il faut qu'on change dans le sens positif pour que l'avenir soit meilleur, non seulement pour le Niger, mais pour eux-mêmes les jeunes qui devront être les dirigeants pour qu'ils trouvent un Niger viable, pour qu'ils arrivent à diriger convenablement dans des meilleures conditions possibles sur les aspects économiques, sur l'aspect environnemental sur l'aspect financier aussi. Directeur, parlez-nous de la préservation, de la gestion rationnelle des ressources relativement à l'environnement. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter les ressources naturelles pour vivre mais il faut qu'on vive sur les ressources naturelles. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on entend par ressources naturelles dans ce cas Par ressources naturelles, c'est qui est l'eau, ce qui est les végétaux, ce qui est l'air, la terre aussi, ce qui nous permet d'exploiter à des fins agricoles, à des fins d'alimentation, à des fins de santé, pour que nous arrivions à vivre dans le milieu naturel que Dieu nous a doté. La gestion devrait impliquer qu'on arrive à vivre aujourd'hui, mais il faut qu'on pense aussi aux générations à venir c'est une notation de la dimension de l'environnement durable. Exploitons l'environnement et ses ressources naturelles de manière durable pour assurer la durabilité de l'environnement et de ses ressources. En termes clairs, en termes simples, vivons avec ce que nous avons de manière très simple et de manière simplifiée mais tout en pensant aux générations à venir, tout en pensant à la jeunesse à l'avenir. Puisque actuellement, si on va dans le sens de l'exploitation inadéquate de ces ressources naturelles. Ça veut dire les générations à venir ne vont absolument rien trouver. Et il paraît même que nous sommes en train de vivre à crédit. Nous avons déjà arrivé à exploiter notre part et nous sommes même rentrés dans la part de la jeunesse, ce qui est extrêmement grave en termes de gestion de la durabilité environnementale et de ses ressources naturelles. Par rapport à l'exploitation, qu'en est-il des terres environnementales qui sont occupées par certaines populations ces dernières années oui, effectivement, on a constaté ces dernières années l'accaparement des terres par certains privés et par certaines catégories de population, des terres qui appartiennent à l'État, des terres souvent forestières, des terres pastorales, mais des individus s'en accaparent pour eux-mêmes et ils font de ça une propriété privée, ce qui est inadmissible de par la loi. Donc la loi dit les terres appartiennent à l'État et les usagers de ces terres-là peuvent en bénéficier dans leur exploitation. Mais donc, de ce fait que, vis-à-vis -vis de la loi, s'accaparer des terres de l'État c'est aller à l'encontre de la loi. Et ces derniers temps, effectivement, l'État est décidé de rentrer pour récupérer toutes les terres illégalement occupées par des populations ou par des individus. Il n'est inadmissible, l'État est apte à décider de récupérer toutes ces terres, non pas au profit de l'État ou bien au profit des fonctionnaires ou bien de l'administration, mais c'est au profit général de la population. C'est des terres de l'État. L'État, ça veut dire que le gouvernement ça veut dire la population, ça veut dire tout le monde. Donc c'est au profit de l'État et de ses populations. Au sujet de la dégradation de l'écosystème, qu'est-ce qu'il faut comprendre La dégradation de cet écosystème, ça veut dire qu'un écosystème, il est là, mais du fait des activités notamment anthropiques, c'est-à-dire de l'activité de l'homme ou bien naturelle, on arrive à constater que l'écosystème d'un état initial à un état bien donné dans le temps se dégrade et perd les qualités non seulement en termes de superficie, mais en termes de qualité des ressources et de la biodiversité qu'il contient. C'est pour cela qu'on dit que, par exemple, l'écosystème humide ou l'écosystème terrestre ou l'écosystème tel ceci, tel cela est en train de se dégrader parce que on est parti d'un temps initiale par le passé à un temps actuel, on a constaté que les ressources naturelles qui sont contenues dans cet écosystème en train de s'amuniser ou bien même de disparaître. C'est le cas, par exemple, par le passé, on a constaté que beaucoup d'écosystèmes, notamment l'habitat de la faune, on a constaté qu'on a beaucoup de ressources phoniques qui ont disparu actuellement. À ce niveau, n'est-elle pas sujet de situation d'urgence Si, on est dans une situation d'urgence écologique, si je peux prêter même les mots de notre ministre. Actuellement, le Niger est en situation d'état d'urgence écologique. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce que nous constatons comme des richesses énormes en matière de ressources naturelles, en matière de végétaux, en matière de la faune sauvage. Nous avons constaté aujourd'hui, il y a 40 ans, il y a 50 ans et aujourd'hui, il y a presque des espèces phoniques animales qui ont carrément disparu. Et ce qui fait mal, on dit généralement les jeunes n'ont pas eu quand même la chance de connaître certaines espèces. Elles les connaissent que par la télévision ou bien sur les photos, mais à l'état naturel, on n'en trouve pas. C'est comme quand vous prenez l'autruche. Il paraît qu'elle ne se trouve plus maintenant au Niger à l'état sauvage à l'état naturel. C'est dû à quoi C'est dû à l'action de l'homme, c'est dû à la chasse illégale, c'est dû aussi à, quand même, à des phénomènes naturels. Parce que l'homme est en train d'avancer dans les écosystèmes sur le front naturel du fait de l'agriculture, du fait des activités pastorales, du fait aussi de l'extension des villes. Donc l'homme est en train de s'accaparer des terres au détriment de la faune sauvage face à cela, vous n'envisagez pas des mesures non, les mesures, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser la population. Comment On parle toujours de sensibilisation. la sensibilisation, c'est d'abord tout le monde. Tout le monde doit sensibiliser les pouvoirs publics, la population, les ONG, mais aussi les médias parce que vous devrez avoir un rôle extrêmement important puisque vous avez la chance de couvrir l'ensemble du territoire et vous avez aussi la chance d'avoir beaucoup de d'éditeurs. Donc on compte beaucoup plus sur les médias pour attirer l'attention de la population par une campagne hardie d'information et de sensibilisation sur un changement de comportement, sur la renaissance culturelle au Niger pour qu'on change de comportement au sens large du terme. C'était là Sani Mazou, directeur général de l'environnement et du développement durable qui appelle à un changement de comportement pour, pour un environnement sain et durable. Sur ce se referme le forum de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous euh, de l'avoir suivi. Bonne soirée.